ñu ngi naan boutiquiers yi détaillants yi ñoo denc sukkar ñoo bañ a jaay sukkar ñoo yokk prix sukkar am na fii 1000 tonnes ñu ngi koy defar par jour te ñun loolu gisuñu ko. sukkar bi nga xam te ñu ngi koy defaree fii si Sénégal sac de 50 kilos bi actuellement ñu koy jëndee 29000 à 30000 te état bu Sénégal dafa newoon nañ ko jëndee 27650 ñu gis loolu prix bi yokku na. yokku na prix bi weesu na mënatuñ koo jaay. bi ngeen ñu wax. si concertation bu ñu

jëli sucre bi indi jaayaat ko fi kon tey ji nga waroo leen ñu naan détaillant ñoo dënc sucre détaillant ñoo baña jaay sucre bi lolu amul même bu féké da nga fixer ay prix da ngay génné carrément jàkkaarloo sénégalais ngeen leen prix yokuna té commerce kenn du ko politiser encore une fois on a constaté un manque criard du sucre depuis depuis lors l'État n'est pas réagi par rapport à cette, à cette, situation. Nous rencontrons d'énormes difficultés malgré notre volonté de satisfaire la, la population pour nous approvisionner en sucre. Il est difficile de trouver le sucre dans le marché où parfois on nous le propose à des prix très élevés, entre 29 000 et 31 000, hors transport et emballage. Ainsi, nous dénonçons avec fermeté le comportement des agents de contrôle qui, en dépit de tout ce que nous endurons pour satisfaire la population, verbalisent les boutiquiers injustement. Nous invitons la nouvelle équipe de la direction du commerce à travailler en profondeur sur le circuit des approvisionnements et à trouver des solutions aux maux récurrents que nous rencontrons. Nous ne pouvons pas continuer à payer seul le pot cassé, alors que la compagnie reconnaît qu'il y a un détournement d'objectifs de certains grossistes qui, après achat à l'usine, acheminent cargaison vers des destinations inconnues. Nous prenons l'opinion publique en témoin. Nous imputons entièrement la responsabilité de l'État qui ne joue pas son rôle régalien. Il laisse le marché entre les mains des soi-disant commerçants cruels, cupides et impitoyable face à une population de consommateurs sans défense. Les véritables commerçants sont soit écartés du circuit, soit victimes harcèlement de certains agents du contrôle qui ne cherchent qu'à remplir leurs poches. Par ailleurs, que les entreprises arrêtent d'escroquer les détaillants en diminuant la quantité ou le poids.